Le discours bi sante Yalla bu di mais aussi de féliciter président de la république qui discours bi nga xamante encore une fois rappeler les grands axes du développement des territoires président de la république li le développement des territoires avoir des territoires attractifs compétitifs pour un développement durable il a rappelé les fondamentaux am solo Sénégal association des maires Ben mofinek, fi donc Sénégal benn bopp la kenn mënu xar c'est vrai que collectivité territoriale la askan la communauté pour développer Sénégal collectivité il a développer il faut Nous un dialogue dialogue. am ñu dialogue. nous ñu dialogue. Nous état encadré état état démembrement démembrement collectivité locale collectivité locale pour développer il faut nous askan donc nous avons nous di gis ne président la dara ñoru ko luddul askanu Sénégal dara ñoru ko luddul développement des des communautés lool rek moko ñor donc ci lool lañuy lool lañuy dox lool lañuy dox guddi ci lool lañuy dox bëccëg di féliciter aussi ministre des collectivités territoriales ci organisation bi organisation gis nga ko tous les maires sont là même les maires de l'opposition ñëw nañ bokk ci bokk ci waxtaan bi donc lool lu ñu rafetlu la di wax rek né ngoon ñi ngi ñaan yalla assemblée générale bi nga xamante moy assemblée générale maire yi. Nous avons fait le bureau mission mission politique de la décentralisation. bon discours patriote d'abord discours euh, un vrai président de la république euh, xam aussi euh, parce que d'abord il a été maire de la commune de Fatik, avant d'être à la tête du pays il a une vision particulière par rapport également surtout à la décentralisation mu nekk lu ñu rafetlu bu baax